Et maintenant, l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda. Bonjour euh, Eugène Pewa Pelema depuis le studio de la Voix de l'Amérique à Washington DC. Au studio, je serai rejoint par euh, mon petit frère euh, <laughs> Cheikh et depuis Dakar, depuis Dakar, nous avons Sedina Abangay. Euh, bonjour Sedina, comment vas-tu Bonjour bonjour J'espère que vous allez bien. Très... Nous nous portons très bien. Nous saluons tous nos auditeurs euh, de la Voix de l'Amérique euh, dans tous les pays d'Afrique et aujourd'hui, c'est le grand jour, les quarts de finale de cette euh, Ligue africaine de basketball en anglais, BAL, Basketball African League, va démarrer avec un match euh, très important, le Zamalek d'Égypte contre les forces armées police euh, du Cameroun. donc, avant que je parle à, à euh, Sedina, euh, comment tu vois, euh, du moins se présente pour toi ce match euh, d'une importance capitale puisque maintenant c'est win or die, vous gagnez, vous continuez, vous perdez, vous rentrez à la maison Oui, je trouve que pour ce match-là, c'est l'un des deux les plus équilibrés sur le terrain, contrairement à ce que affichent les bilans des deux équipes, parce que les forces armées et polices du Cameroun ont montré de bonnes choses et ils ont perdu tous leurs matchs pratiquement sur le film. Euh, les Anglais, euh, au contraire, montent en régime et ils l'ont prouvé contre l'Aix-Bonne Maintenant, je pense que ce sera un match beaucoup plus équilibré sur le terrain que sur le papier. Tout à fait, Chèque. Euh, ton avis, comment tu vois ce match de ton côté ah bon, je vois ce match-là vraiment à reconnaître que l'équipe camerounaise s'est très bien battue pour être là où, ils sont actuellement. Et ils ont perdu deux matchs, ils ont gagné le troisième euh, c'est le match de, livrage qui les a fait, qui les ont fait passer. Et je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Et l'équipe des Amalek, euh, comme on les a, tous vus, c'est une très bonne équipe euh, qui est prête à jouer aussi. Euh, il veut, il veut aussi avancer dans les, dans les prochaines étapes. Ça va être un match très intéressant dans ce point du tournoi quand même comme quart de finale. Tout à fait. En tout cas, d'abord, il faudrait le rappeler. Euh, cette équipe camerounaise était un peu dans, on peut appeler ça euh, la poule de la mort parce que c'était une, c'est une poule qui était très très très disputée. Par mhm. contre, euh, l'équipe de Zamalek était dans une poule qui était un peu plus faible. ils ont dominé les, les, débats pendant tout ce premier tour. Est-ce qu'ils ont été bien testés par ces équipes Parce que cette équipe camerounaise, en, par, de son côté, elle a été vraiment testée. C'est vrai, elle a fait des, des erreurs de, dans, les, dans les fins de match, que ça soit contre euh, l'Angola, euh, euh, Petro de Luanda ou l'AS Salé euh, du Maroc. Mais là, elle, au dernier match, on sent qu'il y a eu les ajustements nécessaires et d'une certaine manière, chèque ce sera un match, un match des coachs. Je peux appeler ça. Ce sera un match des coachs parce que aussi bons les joueurs peuvent être, ils vont faire des erreurs. Mais c'est comment les coachs vont réagir qui vont faire la, qui va faire la, la, la, la différence. Et donc, euh, euh je, moi, c'est de cette manière que je vois ce match-là aujourd'hui. a tout à fait, tu as tout à fait raison, euh, euh et quand on voit les équipes, derrière, même on les voit en train de se préparer, faire le réchauffement. Euh, dans 30 minutes, moins de 30 minutes, ils vont commencer les matchs ici. Et quand on regarde vraiment, c'est, les joueurs ont beaucoup de talent. Les joueurs peuvent avoir euh, leur jeu A, B, C dans les matchs, mais c'est le coach qui doit déterminer quand est-ce que ton joueur est en catégorie A, catégorie B ou B, C. Si ton coach, si ton joueur est en catégorie A, tu n'as pas besoin de beaucoup les coacher parce qu'ils sont dans l'air normal euh, pour pour compétir dans les dans les compétitions. Mais s'ils sont dans l'air euh, normal C, ça veut dire que c'est le coach qui doit vraiment beaucoup faire d'efforts euh, pour les faire ramener dans les jeux. Et je vois que ça va être vraiment un match euh, pour les coachs aussi de montrer vraiment que euh, leurs équipes peuvent mieux faire, c'est de faire sortir le meilleur de, de, de toutes les joueurs à ce niveau-là, parce que c'est les, les quarts de finale, comme on voit. Euh, c'est pas tout le monde qui sont arrivés à, dans ce stage-là. Et, mais il y a des questions aussi qui disent qu'il y a des équipes qui vont se, se rencontrer encore hein, euh, une deuxième fois. Et il y, y, a des fans qui demandent pourquoi c'est ça, ceci. Je vais, je vais expliquer ça. En fait, voici comment cette, cette tournoi-là s'est joué. On avait que trois poules, pas quatre poules. Si on avait eu quatre poules, c'était très simple. On prenait les deux premiers de chaque poule et les gens jouaient le quart de finale. Mais dans cette compétition, on n'avait que 12 équipes, quatre poules, euh, trois poules de quatre. Les gens ont joué. Les gens étaient classés de 1 jusqu'à 4 les premiers de chaque poule et les deuxièmes de chaque poule étaient qualifiés d'office. Ensuite, ça fait six, équipes, trois mhm. poules. on, devait récupérer, on devait repêcher euh, deux autres équipes et ces deux autres équipes, c'est ce qu'on appelle les deux meilleurs troisièmes euh, du tournoi. Et c'est ce qui s'est passé. À la suite de ça, quand ils ont fait euh, le, partage qui joue contre qui, on a pris, on a classé les premières équipes par goal virage, par nombre de points marqués, ainsi de suite. Donc euh, la meilleure équipe obligatoirement de ce, la première équipe qui était la meilleure équipe du tournoi, c'était le Monastir. Elle allait jouer le plus mauvais des troisièmes qui a été repêché. Dans ce cas particulier, c'était l'Ice Police qui a, été euh, repêché dans ce cas particulier. Mhm. Ensuite, l'équipe qui était première mais qui était en deuxième position devait jouer euh, et c'est le cas du euh, mhm. le, le, le, meilleur troisième. Et le meilleur troisième ici, ce sont les forces armées et police. Et donc, c'est ils ont ils ont ils sont tombés sur les forces armées et police. Ouais. Ensuite, le troisième premier, et je crois que c'est le Petro de Luanda, mhm. devait jouer le plus mauvais des deuxièmes. Il s'avère que euh, pour une raison ou une autre, c'est de trouver que c'est euh, salé qui était dans ce classement. C'est pour mhm. cela que, ayant été dans la même poule, ils se retrouvent euh, ensemble. Euh, mhm. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça, on peut pas, on ne peut pas euh, euh, euh, changer ça. Ensuite, après, bon, il y a les deuxièmes et deuxièmes et ainsi de suite. Donc c'est c'est comme ça qu'ils ont fait le classement. c'est vrai que euh, pour la suite, euh, Sedina, ce serait fantastique que la la Ligue africaine de basketball pense avoir toujours des nombres où ça peut correspondre au, au, au quart de finale. Donc au lieu d'avoir 12 équipes euh, dans cette ligue, il serait vraiment préférable d'en avoir 16. À mon avis, c'est c'est le c'est le format qui est utilisé pour l'afro-basket, c'est le format qui est utilisé dans d'autres compétitions, et c'est comment que ça c'est comme ça que ça se passe, Célina. Oui, oui. Euh, moi-même, euh, c'est la même interrogation en fait qui a été mienne quand j'ai vu les affiches des cartes de finale. Mais après, je me suis un peu dit que la NBA a utilisé son propre système, c'est-à-dire un système du nombre de confrontations directes entre les équipes. Euh, ils vont utiliser le système saison régulière play-off pour euh, ce tournoi, mais comme tu viens de le dire, euh, peut-être qu'on n'en a pas l'habitude ici en Afrique de voir des équipes qui sont affrontées en poule s'affronter les retours suivants à nouveau. Donc, c'est un peu, ça fait un peu bizarre, mais bon, si la NBA basé sur son système, euh, c'est tout à fait normal. Mais je pense que euh, ce serait plus judicieux pour les tournois à venir d'avoir des phases qui permettent de sortir directement en quart avec le nombre d'équipes. Euh, parce que le système des meilleurs troisièmes, s'il n'y a pas de croisement, pour effectivement amener ce genre de situation qui est assez inhabituel ici en Afrique, parce que comme tu l'as rappelé, on a l'habitude de jouer avec le système de la FIBA. Euh, donc c'est un système où il y a des croisements entre les premiers et les deuxièmes de chaque poule. Et les adversaires potentiels se connaissent dès le départ du tournoi, contrairement à ici il fallait attendre que le classement euh, final, c'est-à-dire de la première à la huitième place, soit établi pour savoir euh, qui va croiser qui. Mais comme c'est une première fois, je pense que c'est normal que la il est consisté. mais au fur et à mesure que ce tournoi-là va évoluer, certainement beaucoup de choses vont changer euh, de manière positive et que les choses seront améliorées pour que la compétition puisse de plus en plus euh, ressembler à ce qui se fait en Afrique, euh, tout en restant sur les bases qui permettent de développer cette ligue-là en s'appuyant sur l'exemple de la NBA. Tout à fait, Sedina. Chèque, on a actuellement deux équipes de basketball qui vont se rencontrer ils ont des atouts totalement différents. C'est il y a cette équipe de Zamalek euh, qui a euh, un certain nombre de joueurs dont euh, Walter. Walter, qui est le meilleur marqueur d'ailleurs de leur équipe. Mhm. il y a un ancien qui est son suppléant solo, c'est un joueur super expérimenté qui est ivoirien mhm. et qui joue dans cette compétition et qui a pu nous montrer euh, sa qualité de jeu les deux derniers matchs. Parce que je crois que le premier match, il a eu des problèmes pour entrer dans le match. Mais on a vu les deux derniers matchs que c'est un joueur qui est très important, qui a causé énormément de problèmes aux arrières de l'AS Police. Hein, euh, non, pas c'est de oui, c'est ça, non, de, non, non, des as mm-hmm. et qui leur a fait perdre énormément de balles et ne leur laissait pas développer euh, euh, euh, euh leur jeu pendant le match. Et il y a ce fameux power forward Anas qui est un gars de 2 m 14 mais qui a une vivacité, une rapidité. il sait bien dribbler. Et, ça sont les joueurs qui jouent un, un, un grand rôle. D'ailleurs, ils protègent le panier Hein, pour ceux qui veulent s'hasarder <laughs> aller ah. au panier, on en a vu plusieurs aller, oh non, il est là, et, ils sont partis. De l'autre côté, on a euh, du Cameroun, on a Aruna qui est le meilleur marqueur, 56 points, qui a fait un très très grand match, qui a, fait jouer, qui a joué des des bons matchs dans l'ensemble sur les trois matchs, mhm. qui a été peut-être, à mon avis, des fois porté trop le ballon, et ne le partageait pas avec ses coéquipiers, mais j'ai l'impression que le coach a eu à, à, à, à donner des, des, consignes, et ces consignes-là ont quand même été euh, bien utilisées. On a vu Marcus Wallet, qui a été sensationnel au dernier match, qui n'avait peut-être pas assez bien joué les deux premiers matchs, mais qui est un joueur très important. Mhm. Et on avait ce joueur intérieur, Nkene, qui était là pour euh, prendre tous les rebonds, que ce soit offensif et défensif, et qui ont, qui ont joué un rôle, euh, Chèque Yeah, euh, le pivot nigérien qui te vient juste de mentionner son nom, euh, il est numéro 42 euh, de l'équipe euh, Chine, Chinemelu, et Lonu. C'est un, un, pivot qui est très athlétique aussi. On a vu les prestations de Aliouk donc qu'il a fait la fois de rien. Il a sauté derrière des défenseurs comme ça. Donc euh, cette équipe, euh, ils ont beaucoup de talent. Ils ont d'ailleurs aussi un petit joueur euh, qui est le, seul joueur qui vient de NBA Academy. Je, je, je, je me rappelle pas bien de son nom. C'est un petit de 18 ans ou 19 ans comme ça qui joue avec eux. Ah, de l'équipe de Zamalek. Des Zamalek. Effectivement. Et, puis ils ont aussi... Oh, Walter Hodge, et, vous savez, le, numéro 12 Wallace, qui est, est, très bien aussi. Tout à fait. donc, oh, ils ont beaucoup de joueurs oh, qui peuvent vraiment faire beaucoup de mal dans ce pays et dans ce match. Et puis, ils ont aussi le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire, you comme tu l'as bien dit, euh, Mouliou Souleymane Diabaté. Yeah, Aka <laughs> Donc, euh, eh, quand on va, quand on regarde euh, le rythme de ce match, euh, on va voir, on va avoir une, très, une compétition de haut niveau parce que l'équipe camerounaise, vraiment, ils ont mis les paquet des derniers matchs. Ils ont, et quand vous avez l'autre leur prestation contre l'équipe angolaise qui a battu l'équipe marocaine, je pense que l'équipe marocaine l'autre jour, c'était un match très serré et bon, tout le monde pensait que l'équipe va perdre, mais ils ont fait une prestation contre cette équipe là. Donc, ont limité l'équipe anglaise euh, à moins de 70 points par match. Tout Donc si tu arrives à, mettre une équipe euh, qui est très bon avec les 3 points, tu les limites à 70 points, c'est très bien. 66 points exactement, le score était 66-67. Donc oh, ça veut dire qu'ils ont vraiment mouillé le maillot avec ce match-là et ils ont d'ailleurs perdu ce match avec 2 points. Donc ça veut dire que cette équipe camerounaise peut surprendre, faire des surprises en, euh, durant les, les, matchs à venir avec euh, précisément avec Zamalek. moi je voulais aussi ajouter ça. Euh, eh, il y a beaucoup de surprises qui vont venir dans les jours à venir, comme j'ai vu que eh, Céline en parlait tout de suite hein, de ce qui se passe. Hein. Et on va avoir hein, beaucoup de changements dans le futur parce que c'est un début comme on, le sait tous. Il y a beaucoup de règles, il, beaucoup il, devait faire 20, 36 matchs. 36 ben, matchs, ils ont réduit ça à 26 matchs. Donc, ils ont laissé tomber 10 matchs. Et c'est ce qui fait que c'est 3 semaines. Donc, c'est très rapide. Donc, euh, et, c'est très rapide. Donc, euh, on va voir maintenant s'il va y avoir beaucoup de changements dans le futur, dans les plans. Comme on a, Sedna a dit, la NBA aussi envisage euh, d'implémenter beaucoup de, beaucoup de leur manière américaine ici pour faire de, de cette ligue une ligue meilleure dans toutes les ligues de basket, parmi, de, toutes, parmi les ligues de basket dans le monde. Et puis, nous avons aussi vu que il y a beaucoup de joueurs euh, qui ont pris l'initiative, euh, comme tu le sais bien, euh, de vraiment s'ajouter pour faire un tournant des de, hauts niveaux comme les la NBA dans les jours à venir. On a vu Joaquin Noah, Dikambe Mutombo. Je, suis sûr qu'il va, il va avoir beaucoup d'autres joueurs. Hill. Grant Hill. Je suis sûr qu'il va avoir beaucoup d'autres joueurs qui vont vouloir jouer. Et puis il y a aussi Lou Holding. Et, moi, je, moi, je ne veux pas être surpris si on, trouve Hakim Olajuwon, parce que c'est eux qui sont vraiment les grands, grands de, l'Afrique du basket dans, dans la NBA ici. Donc juste, faut pas, on va pas être surpris s'il y a beaucoup de beaucoup de anciens stars NBA vont joindre sur ce truc. Ils ont dit que la valeur va est limitée, et la valeur est estimée de 1 billion et 1 milliard de dollars actuellement. Et ça c'est une grande chose. Ça veut dire que la, NBA va mettre beaucoup d'argent. On va tous repartir au pays là. Donc oh, il essaie de faire vraiment une une, une ligue de basket oh, oh vraiment comparément à, au NBA les règles, les les modalités, les contrats. Il essaie de faire euh, tout de leur et puis l'égalité entre les joueurs de NBA et cette euh, tournoi NBA. C'est ça même le but de, de Amadou Galofal parce que lui, il, n'est pas focalisé d'envoyer les joueurs NBA. Il est focalisé de maintenir une ligue en Afrique qui va être comme la NBA, que les gens vont vouloir venir, même les joueurs de NBA venir pourquoi pas les joueurs de NBA vont vouloir venir jouer ici parce que toi-même tu sais les contrats de NBA ça change du jour au lendemain les joueurs peuvent se trouver dans les conditions ce sera une ligue pour eux d'aller venir jouer et puis ça va être une ligue qui est vraiment de haut niveau compétitivement comparable au NBA comme tu l'avais si bien vu que les, toutes les toutes les joueurs que moi je parle de cette Basketball Africa League en hygiène ces gens-là, les joueurs d'ici me disent que mais le basket africain de ce tournant-là, c'est trop rapide. <laughs> Et eh oui, hein. Ils voient que la, vivacité, quoi. Les gens ne s'arrêtent pas. C'est seulement, c'est comme au collège, quoi. Mais en NBA, c'est pas comme ça. En NBA, les gens jouent très dur seulement quand c'est le playoff. C'est pour ça qu'on on voit que et, eh, et eh, le playoff, c'est pas un moment de jouer et c'est pas un moment de s'amuser. C'est le moment de vraiment mettre le paquet pour euh, vraiment. Pour maximiser. En tout cas, Sedina, euh, on a, on aura ici un match, euh, euh, euh, à mon avis, très très très disputé. Euh, il faut se rappeler que le coach de, FAP, c'est quand même Lazare Adingono. Lazare Dingono qui fut le coach de Petro Luanda qui, lorsqu'ils ont gagné leur premier titre de l'Afro-Basket des champions, des clubs champions, mhm. et là, je suis convaincu qu'il a dû regarder ces matchs qu'il avait joués les deux matchs qu'il a perdus, que ce soit contre le Petro de Luanda et, et, et l'AS Salé, et il a dû, parce qu'on a déjà vu les premiers ajustements qu'il avait fait pour leur dernier match qu'ils ont gagné contre euh, euh, cette équipe de, de AS Police, je suis convaincu qu'il va réétudier ça. Il va voir euh, cette équipe de, de Zamalek, euh, leurs forces et leurs faiblesses, et il va essayer de s'adapter. Et, et, bon, bien sûr, l'équipe de Zamalek, euh, qui part avec un esprit beaucoup plus euh, peut dire supérieur parce qu'ils bon ont gagné trois matchs ils se disent que non cette équipe là en face peut-être bon mais peut-être c'est pas aussi leur façon d'aborder le match donc ça va être un match euh, très disputé Cédina. Oui ça va être un match très disputé mais pour moi le Zamalek euh, est un deuxième assez malheureux je le dis comme ça parce que ils ont pratiquement l'une des meilleures équipes peut-être que si euh, les FAP étaient dans une autre coupe. ils auraient pu se qualifier à la première ou à la deuxième place. Parce qu'on voit que euh, contre l'AS ils ont perdu de justesse, euh, avec juste trois points de déficit. Contre euh, le, le, les Petro de Luanda, ils ont perdu de deux points en ayant une faute non ciblée à la fin. Et contre l'AS Police, ils ont montré un visage très religieux avec des instruments techniques techniques, euh, tactiques pardon, nécessaires au bon déroulement de leur basketball. Donc moi je pense que euh, les Zamalek, même avec trois victoires, ne peut pas pour le moment en tout cas, euh, au vu de ce que les FAP ont montré lors de leurs deux premiers matchs, même s'ils ont été défaits, et lors du troisième, où, comme je viens de l'indiquer, leur coach est parvenu à créer une réelle alchimie entre euh, le potentiel des joueurs et la mise en place tactique, ce qui leur a permis de survoler ce match contre la police. Je pense que euh, les Amalek doivent faire très attention à cette équipe, euh, d'autant plus qu'ils ont, lors du dernier match, Amadou Abdoulaye Aruna a plus libéré la balle, à ses plus jeunes coéquipiers et ça a montré que cette équipe avait beaucoup plus de potentiel qu'on n'avait pu le voir sur les deux premiers matchs où Amadou Abdoulaye avait, à plusieurs moments clés du match, euh, n'avait pas libéré la balle et n'avait pas permis son équipe de revenir sur euh, le pétrole de Luanda notamment. Donc moi je pense que les Zamalek est très fort. Ils ont Walter Wallace qui est excellent. Ils ont Mustafa euh, Mohamed également. Ils ont Anas. Et ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence. Mais ils doivent faire très attention à cette équipe des FAP là. Et pour moi, leurs trois victoires, euh, euh, peut-être c'est juste euh, une, statistique, mais au vu de ce que les deux équipes ont montré, l'écart est moins, est moins conséquent, moins conséquent que ce que ce peuvent laisser les statistiques ou bien les trois victoires contre, une affichée par les Amalek face au Tout à fait, Sedina. En tout cas, ce qui est sûr, ce sera un match très disputé. Euh, si on veut parler maintenant sur le plan technique, euh, selon ce que je vois, euh, quand je vois le Zamalek jouer, on se rend compte que le système consiste à faire un écran sur Walter. Walter fait une pénétration si les gens ne jouent pas cette n'arrivent pas à défendre cet écran. Walter va shooter ou il va pénétrer et il va shooter ou il va directement à l'anneau. S'il y a rotation, il y a un décalage, ils sortent la balle. Mais tout se joue au niveau de cet écran. Et si cet mhm. écran est bien défendu, en fait, pour les FAP, leur but, c'est d'essayer de d'orienter euh, Walter à l'opposé de cet écran. Ce serait la meilleure défense parce que souvent on pense qu'on peut jump, hein, on peut sauter l'écran. Ou euh, c'est pas facile de edge par exemple pour un grand, un grand, même s'il va à l'entraide parce que il y a beaucoup. Je vois les matchs précédents, euh, on a vu les gars qui défendaient sur le big man qui faisait l'écran rester trop en arrière, ce qui fait que Walter arrivait à rentrer et puis il faisait ce qu'il voulait, pénétrer Le grand qui a fait l'écran pouvait plonger vers le panier et donc il avait ses options de shoot à l'extérieur, il avait le grand qui qui allait directement au panier. Pénétrer, pick and roll. Voilà, et mhm. ça mhm. c'est leur clé chèque euh, si euh, les FAP du Cameroun veulent être d'une certaine manière euh, une équipe qui va compétir pendant quatre cartons, euh, il faut qu'ils défendent cet écran parce que quand on prend de l'eau après c'est difficile, la concentration manque et on se met à perdre les matchs. Ouais, effectivement, comme tu l'as bien dit, euh, et ça c'est le jeu de de de Aza, Amalek. Euh, Zamalek euh, de, de l'Égypte. Ils sont, ils font, les, ils sont très bien avec les pick and roll. Euh, comme on a vu, je parlais tout de suite de leur pivot. Le pick and roll, c'est un jeu que les pivots prennent l'avantage beaucoup parce que quand tu fais l'écran, tu tu cours vers le cerceau, si ton meneur, te trouve en, courant, ça va être un point pour toi ou bien tu vas au lancer franc. Et, mais on a vu que le meneur là, il prend bien vraiment avantage de ça, il attaque. Surtout quand le fait l'écran, il n'hésite pas à attaquer parce que c'est comme si ta porte est ouverte. S'il voit la porte ouverte seulement, il n'a pas peur d'attaquer. attaquer euh, bon, l'équipe camerounaise aussi, on a vu que ont des pivots qui, qui sont vraiment bons avec les deux jump shooting. Euh, et, ils ils s'approchent pas. l'air la plupart de leurs points, ça vient de, de jump shots et dans les perimeter, round et dans les pentes. Et ça, ça va beaucoup les aider, mais si tu rates les, shots comme ça dans le match, euh, l'équipe, euh, Zamalek va te faire payer. Et c'est ce qu'on a vu avec beaucoup des équipes. D'ailleurs, l'équipe Zamalek, là, c'est pas une équipe qui est vraiment 100% Maghreb il y a beaucoup de maghrib dans l'équipe, mais la plupart de leurs meilleurs joueurs, c'est comme on... Euh, il y a deux Américains, Américains, il y a, il des solo, il y a un solo. Voilà. Donc c'est vraiment euh, une mix de de talents dans le, dans l'équipe là. Tu peux vraiment pas dire que c'est. Le problème, même que le coach n'est pas. Le coach c'est un Espagnol. Voilà. Le coach euh, c'est un Espagnol. J'ai oublié son nom. mais c'est un Espagnol. Son nom c'est Al Zamalek non pas, pas Zamalek, euh, Austin Jules. Austin ouais, c'est ça, c'est bien Austin Joule, il était coach, euh, il, est coach, a été coach euh, en Allemagne plusieurs fois. Mhm. Et je pense qu'il est. En Allemagne En, en Allemagne, en Allemagne. Il a été, il est coach de, dans, il a coaché beaucoup d'équipes en Espagne aussi. Et mhm. c'est lui qui est le coach de Zamalek dans ce tournant-là. Et avant qu'on rentre dans les stages de ce jeu aussi, je, je voulais parler aussi des détails de joueurs et puis ce qui se passe. En, il y a, comme on a vu que Cole, le, star américain qui vient juste de euh, rentrer là. Il a fini son trois match de contrat avec euh, l'équipe Patriote. Euh, les gens sont en train de parler de ça. Euh, bon, c'était un contrat. Bon, je, voulais seulement que tu partages ton avis sur ça parce que c'est un joueur qui avait trois jours, trois matchs de contrat. C'est fini, donc il est rentré. Les gens sont en train de se faire beaucoup d'idées avec ça parce que c'est une star américaine qui a amené beaucoup d'interactions euh, et puis qui a beaucoup d'attention sur la ligue, en tout cas, c'est en fait ça. Je pense que euh, a été amené dans le sens pour euh, attirer l'attention du public international sur cette compétition. Mais je pense que dans le futur, euh, il peut faire ça sans avoir besoin d'avoir à jouer. Euh, je pense que les Patriots auraient dû prendre un joueur qui est dans la compétition parce qu'on a pu voir qu'il n'était pas dans le rythme. Bon, il sait jouer au basketball. Il devait surtout faire des pick-up games et puis il est venu <laughs> et puis il a joué. Mais on va pas être négatif. Je pense que c'était dans un but euh, commercial, dans un but de marketing, euh, qu'il est venu ça. Mais je ne vais, je vais essayer de parler un peu de euh, Sedina, euh, de l'autre côté. Euh, il ne reste plus trop de temps. On va essayer de parler assez rapidement de cette équipe parce que Cheikh expliquait quelque chose. Les, les, les big men de, de, FAP, quand ils sont en attaque, souvent, euh, ils font euh, beaucoup de shoots à mi-distance et même à trois points. Il y a mm-hmm. Ezekiel, je crois, qui tire de façon le permanente. Oui, le numéro il est, 32 là. Est un Même s'il est ouvert d'attaquer, il voilà, Il préfère faire chuter à trois points. Yep. Il n'y a qu'une Kené qu'on voit euh, labourer au niveau de l'anneau, prendre mm-hmm. la balle et faire des putbacks. Yeah. Et même lui, des fois, il fait des tirs à, à, à mi-distance. Mais contre cette équipe de Zamalek, justement, euh, on a pu voir lors des précédents matchs, c'est une équipe qui joue très regroupée au niveau de la défense de leur zone. Donc, euh, euh ne pense pas que ça va être... il faudrait qu'ils tiennent compte de ça et qu'ils appliquent une autre tactique, justement, pour pouvoir être efficace, pour que les FAP soient efficaces sur le plan offensif. Euh, oui, je pense que <clears throat> vouloir euh, éviter euh, l'affrontement dans la raquette serait une tactique perdante pour cette équipe du FAP. Bien que le secteur intérieur des Amalekés a été assez efficace, je pense que des fois, pour battre un favori, il faut essayer de le trouver sur le terrain où il est plus fort et de le perturber. Parce que si on met en place des tactiques juste pour éviter peut-être certains, points forts de l'adversaire, on se crée des problèmes à soi-même. Euh, pour, répondre à ta question, moi, je suis pour une tactique qui permette de déstabiliser un peu euh, les certitudes de cette équipe du Zamalek parce que je pense que ce sera l'une des clés du match. Ne pas les, ne pas les laisser dans leur zone de confort, essayer de les perturber au maximum. Surtout, euh, on n'en parle pas assez, mais il y a un facteur X Zamalek au-delà du victoire intérieur, au-delà de la mise en place tactique, et on l'a vu lors du présent match. C'est Suleiman Djabote, qui est un joueur très expérimenté, euh, international ivoirien, et qui apporte beaucoup à cette équipe en, en sortie de banc souvent. Et moi, je pense que euh, c'est l'un des joueurs euh, qu'il faudra euh, qu'il faudra bien surveiller parce que au-delà des passes de et des points qu'il apporte, il apporte surtout de la fluidité dans le jeu en attaque. Et, pour moi, ça, c'est très important. Et en général, comme c'est un joueur ici du banc, on lui prête pas trop d'attention alors que euh, sur les derniers matchs, on voit qu'il a un apport assez décisif à chaque fois qu'il entre et il permet aussi une mise en place euh, euh, tactique des attaques très huilées du côté des Amalek. Tout à fait. En tout cas, c'est très simple. moi, je voulais ajouter aussi quelque chose en, basket. Oh, comme tu le sais bien, toutes les matchs, oh, <laughs> toutes les équipes que tu vas jouer, il faut, c'est différent. You know, comme on, a si bien vu avec beaucoup des équipes, quand tu joues contre une équipe oh, euh, qui shoot beaucoup de trois points, il faut changer ton jeu, de, ton comment tu joues dans, en défense ou bien en attaque. Et donc ça va être vraiment quelque chose. Euh, on, a parlé beaucoup des atouts de, l'équipe Zarna, Zamalek euh, de l'Égypte. On a parlé beaucoup des atouts de, l'équipe camerounaise aussi. Mais on peut on peut se dire que ça va ça peut aussi changer vu la modalité de deux équipes comment elles sont et leurs points forts, leurs points faibles. donc c'est ce qu'on va vraiment voir aussi. Une équipe peut prendre l'avantage de la faiblesse de l'autre pour euh, entamer ce match. D'ailleurs, qui va commencer dans deux minutes. C'est vrai. Et, de toute façon, c'est simple. Euh, si les FAP veulent gagner ce match, ils doivent pouvoir contrôler les arrières. Euh, de Zamalek. Donc avec Marcus, Aruna et les autres arrières, ils doivent s'occuper de Walter et de Solo. Et dans le jeu intérieur, il va falloir que justement ils fassent un jeu intérieur pour pousser Anas à faire des fautes comme ça, il ne va pas être un, protecteur de, l'anneau. Il sera obligé de faire très attention et ça va leur faciliter la tâche. Donc, euh, c'est un match qui va, comme je l'ai dit depuis le début de cette compétition, qui va durer quatre cartons. Euh, le match n'est pas joué avant ça. Le troisième carton va nous donner la direction dans laquelle le match est en train d'aller, mais tout peut se passer, euh, comment le troisième carton se termine, comment le quatrième carton se termine, comment chaque équipe euh, vont utiliser euh, euh leur joueur euh, Sedina très rapidement. je te laisse la parole 30 secondes, puis on va passer pour le générique de cette compétition, qui, de ce match qui va commencer aujourd'hui. Oui, comme Cher l'a dit, comme toi l'as dit, le basket c'est euh, ces quatre ans, mais c'est aussi des spécificités qui changent à chaque match des adversaires auxquels il faut s'adapter. C'est d'ailleurs pourquoi tout à l'heure je disais que euh, pour réussir vraiment ce quart de finale-là et, euh, avoir calmement défendre grandement ses chances, les FAP devraient au maximum perturber le jeu et les certitudes de cette équipe du Samalek pour pouvoir profiter des failles qu'ils vont créer.

102.3, euh, Jeanne depuis le studio. Nous allons revenir au match et nous, Cédina à Dakar euh, et, Jean Jeanne depuis la Voix de l'Amérique ici à Washington. Euh, le match va commencer euh, dans quelques minutes.